Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, débutée le 1er novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a pris part. L'actualité, c'est aussi la proposition de la loi cadre sur le droit à l'alimentation au Niger, portée par le député national Ibrahim Yakoubou. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur la circulation des gros porteurs dans la ville de Niamey, surtout pendant les heures de pointe. Pour euh, commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir El Hadji Mohamed Souleyman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. El Hadji Mohamed Souleyman, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Et Kari Arimi, journaliste à la radio alternative. Kari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons ce forum de la presse de ce vendredi 5 novembre 2021 par la COP 26. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a pris part aux travaux de celle-ci, débutée le 1er novembre 2021 à Glasgow, en Écosse, où les intervenants ont tiré la sonnette d'alarme sur euh, les dangers climatiques euh, qui guettent euh, l'humanité. Dans son intervention, le président de la République, Bazoum Mohamed, a plaidé pour la levée d'un fonds spécial de réforestation des pays menacés par l'avancée du désert. Comment comprendre les discours du président nigérien Abachari Dans son discours d'ouverture du sommet, le Premier ministre britannique euh, Boris euh, Johnson a mis en garde les dirigeants euh, du monde un échec de cette conférence sur le climat déboucherait sur une colère et une impatience incontrôlables. Quel message le Premier ministre britannique a-t-il voulu faire passer Écoutez, ça veut dire tout simplement, euh, à mon avis, et vraiment c'était ma compréhension depuis le début, que euh, ça va désarticuler euh, le monde entier. Aujourd'hui, les pays occidentaux, quand on prend les pays européens, nous parlent de migration. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les migrants qui n'aiment pas voir, qui n'aiment pas entendre, n'est-ce pas, sont beaucoup, partent pour des raisons de changement climatique parce qu'il pleut moins par endroit ou il pleut trop euh, de façon à ne pas pouvoir exploiter euh, les terres. Il fait extrêmement chaud sur certains cieux. Ça va désarticuler toutes les activités socio-économiques de par le monde entier. Malheureusement, nous-mêmes qui ne sommes pas en réalité responsables de ce qui arrive, parce que c'est l'effet des gaz de serre, les, industries, euh, tout, ce qui arrive aujourd'hui. Nous autres des pays du tiers-monde, particulièrement nous Africains, nous n'avons pas grand-chose à avoir là-dedans. Mais le climat euh, n'a pas de frontières. Donc, ça, tout le monde peut être victime. Et les plus euh, vulnérables, c'est nous. Et donc, malheureusement, l'être humain est ce qu'il est il y aura des tentatives d'adaptation. Vous avez dit les plus vulnérables, c'est nous. Pourquoi euh, nous. sommes vulnérables euh, Nous sommes vulnérables parce que nous n'avons pas de possibilité d'adaptation rapide. Les, moyens. Nous n'avons pas les moyens de nous adapter le plus rapidement possible. Encore, certains peuvent utiliser l'air air conditionné, d'autres euh, ils, ils peuvent faire l'agriculture sous vraiment des, des, des microclimats qu'ils vont créer, toutes choses que nous, nous n'avons pas. Et malheureusement, nos terres, on sait déjà ce, qu'elles sont devenues. Euh, elles sont relativement pauvres. Et même les activités, même se déplacer. Parce que quand on dit que la température du monde va augmenter de 2, degrés d'ici 2050, euh, mais 2 degrés, c'est la moyenne. Ce qu'on vit déjà ces dix dernières années chez nous, nous ne l'avons jamais connu nous sommes relativement jeunes, mais ce que nous vivons actuellement de, derrière, nous ne l'avons jamais connu. Donc un changement en si peu de temps. Et voilà que euh, on ne peut pas sortir en avril. En avril, tu ne peux même pas dehors, dormir dehors sous, sans climatisation, sans, ventilateur. Tu ne peux pas euh, te déplacer. Les mouvements sont limités. Il n'est pas possible de gêner pour beaucoup de gens. et ainsi de suite. Ah, ah, bah, est-ce qu'on peut faire le lien euh, entre le changement climatique et l'insécurité au Sahel Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Ça va désarticuler le monde entier. Ça va créer de toutes choses dont, auxquelles on ne s'attend même pas pas aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, justement, si on voit l'insécurité, c'est parce que euh, beaucoup s'estiment être, euh, sont dans dans les besoins. Les États n'ont pas ou les moyens ou la volonté en tout cas de réagir et de, pour histoire de pouvoir les contenir. L'agriculture ne donne plus, l'élevage ne donne plus et c'est l'écrasante majorité de notre population. Or l'être humain de nature ce n'est pas de nature à se laisser faire les gens vont réagir. Et c'est quoi la, euh, la, réaction C'est de se mettre en groupe pour défendre sa cause. Moi, j'ai vu des études qui disent que ce que nous vivons aujourd'hui, nos frères qui sont euh, sur, les, sur les fronts, pour l'essentiel, beaucoup, l'écrasante majorité, l'étude parle de 90% de ces jeunes-là, ils ne vont pas pour des raisons religieuses. Ils vont parce que euh, l'agriculture n'est plus possible, les terres ne sont plus exploitables parce que leur économie ne marche plus, l'élevage ne marche plus. Les gens se cherchent et tous les moyens sont bons. La, le ventre qui a faim déserte le chemin de la mosquée, comme on dit. Et donc, euh, jusqu'à tuer pour manger, les gens sont capables de le faire et chacun fait avec les moyens qui, sont à sa disposition. Ousseini Sajibo, la menace que représente le changement climatique est-elle préoccupante euh, pour tout le monde Attends, je ne sais pas ce que tu entends par préoccupante pour tout le monde. C'est carrément le monde entier qui se réunit. Mais, il y a des, pays qui sont plus exposés ou bien des continents qui sont plus exposés que d'autres. viens de dire quelque chose de très pertinent, c'est que ce n'est pas nous qui polluons. Les gens qui polluent, c'est les pays industrialisés. J'ai eu l'occasion d'assister à, cette euh, rencontre, COP 17, 2017 plutôt. Et je vois un peu le niveau de débat. Parce qu'on demande aux pays industrialisés de réduire un certain nombre de choses. Nous, nous allons comme figurants, d'abord. Nous, nos pays-là, on n'est que des figurants. Les gens ne nous écoutent même pas. Quand c'est un chef d'État africain qui intervient là, il n'y a personne. Quand c'est le Japon qui vient, Là, alors, tout le monde est là, les grands médias sont là. Quand c'est les États-Unis, tout le monde est là, les grands médias sont là. Quand c'est la France, un peu partout. Mais quand c'est nos chefs d'État là. Pourquoi selon vous C'est manque d'intérêt et de considération mais Parce que tout simplement, ils considèrent que c'est une affaire économique d'abord. Ils ne peuvent pas réduire. Ils ne veulent pas réduire. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas réduire parce que c'est économique. Alors, à partir du moment où c'est économique, où il y a un, euh, comment dire, une lutte acharnée pour être en pôle position sur le plan économique mondial, les gens ne vont pas accepter de réduire les usines de centrales euh, et autres. Ils vont continuer parce que pour eux, ils viennent, ils font le dilatoire. Hein. Ils font le dilatoire. Pratiquement, moi j'ai assisté au moins deux fois à ce genre de réunion, à ce forum-là. Mais je me dis, nous, c'est nous qui subissons. C'est nous autres qui subissons. Parce que, bon, c'est eux qui émettent les gaz et tout et tout à travers. Comment expliquer ce paradoxe-là Expliquer ce paradoxe, je viens de dire que c'est économique. Ils veulent, le capital. Eux, ils ne veulent pas se retrouver dans une situation où on va dire qu'il y a une récession économique. Tout le temps, ils sont en train de créer les conditions et à chaque fois qu'ils créent ces conditions pour pouvoir être en avant, à chaque fois, il y a ce phénomène-là ça prend de l'ampleur. Les usines de charbon et tout, et tout, et on en a, ils ont parlé de ça. Les gens vont faire leur discours et puis c'est fini. On attend encore, je ne sais plus, la c'est tous les deux ans, ou je ne sais plus exactement, ou tous les trois, deux, ans ou trois ans. Voilà. Mais à l'époque, c'était tous les deux ans. Mais c'est un constat que j'ai eu à faire personnellement. Je me dis, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous, on un en villégiature là-bas. Parce que eux, quand ils arrivent, les délégations, quand vous voyez même les délégations et tout et tout, nous, nous allons, nous allons faire le bruit où on veut les fonds là. Bon, ils promettent. Ils promettent de donner, mais ils ne donnent jamais. Ou bien ceux qui vont donner, c'est insignifiant par rapport à nos besoins. Parce que nous, nous sommes directement impactés. Tout à l'heure, Rémi vient de dire, l'agriculture est impactée, l'élevage est impacté, l'environnement de manière globale est impacté. mais, vous savez, face à cette situation, euh, que, faire Qu'est-ce qu'on peut faire C'est une affaire mondiale. Nous, on peut faire quoi Qu'est-ce qu'on peut faire Rien. On est obligé, on cherche même le petit montant là qu'on demande. Même ça là, il refuse de donner. On peut faire quoi on veut qu'on donne cet argent-là pour qu'on trouve des mécanismes d'adaptation par rapport aux problèmes que ça nous crée dans nos pays. Mais même ça, ils considèrent que ne peuvent pas donner à l'instant. Ils promettent, hein. mais à l'instant, ils ne peuvent pas donner. Ce vous voyez, ce que nous devons, comme avait dit, nous, nous, ce à quoi nous nous attendons pour pouvoir au moins s'impulser un peu, mettre en place des mécanismes qui puissent nous permettre de nous adapter convenablement. Et mettre des, en place des petits projets à travers les organismes des Nations Unies là qui sont financés. Ils font ce qu'ils peuvent faire par rapport à l'adaptation au changement climatique. C'est tout. On peut faire quoi Mohamed Suleiman, euh, comme Hussein euh, vient de euh, l'effleurer, le continent africain ne contribue qu'à hauteur de 4% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit le pourcentage le plus faible de toutes les régions du monde. Et pourtant, son développement socio-économique est menacé par la crise climatique. Quelles sont les priorités de l'Afrique euh, c'est justement pourquoi le chef d'État africain, leur discours, c'est dire que nous ne sommes pas les, les pollueurs, nous sommes des victimes. Raison pour laquelle euh, ils ont plaidé effectivement à ce que les autres, les pollueurs, payent la facture. Euh, donc, Mais c'est ça même la logique. Donc, ça, la logique, malheureusement, le monde. C'est lui qui pollue, très malheureusement, justement, comme l'a dit Hussein Issa, elles sont tissants à assumer. Et quand vous regardez un peu la contradiction, euh, cette année, la Chine et la Russie ne sont, ne sont, pas, ne sont pas venus. Euh, donc vous voyez, c'est vrai, le fait que les États-Unis sont revenus euh, donc dans, cette, dans la dynamique, ça, c'est intéressant. Mais tout simplement, je constate que c'est l'effet de l'homme, et l'homme malheureusement souvent a tendance, tant que les puissants, à se comporter en conquistadors face à la nature. C'est-à-dire qu'ils ont tendance, les puissants, à l'exploiter comme ils le veulent, sans tenir compte justement euh, de du bien commun, à savoir qu'on peut perturber justement euh, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, euh, ceux qui sont irresponsables et ceux qui sont responsables, on est là en train de se lamenter pour voir comment véritablement régler les choses. Et ici chez nous, par exemple, comme vous l'avez dit, le président de la République euh, a parlé des phénomènes que nous vivons déjà en dehors de cela. La déforestation, en tout cas la désertification, c'est déjà, problèmes, du des problèmes que nous vivons, donc qui viennent être encore aggravés par justement le phénomène des de changements climatiques. Donc tout cela, vous voyez, euh, avec euh, la fragilité, ou, en tout cas la vulnérabilité, en tout cas, qui est la nôtre, véritablement, on se rend compte que ça nous complique la situation. Euh, donc euh, l'un de l'autre, effectivement, il faut beaucoup d'imagination euh, pour non seulement prendre en charge, à, chercher à relever les défis qui nous assaillent, tu as parlé sécurité. Il y a la, la, La, absolument, la sécheresse. La mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. effectivement, comme corollaire. Justement, on va, on parler justement de l'alimentation. La, on n'a vraiment pas à nous s'autosuffire, du point de vue alimentaire. voyez, tout cela conjugué fait que véritablement, il y a de quoi euh, vraiment tenir compte de comment on doit gérer ce monde-là. C'est un bien commun. Donc, lorsque véritablement, euh, comme l'a dit euh, un philosophe, on se permet justement de faire n'importe quoi, lorsqu'on pense qu'il est plus important d'investir dans des recherches, je veux dire que regarder ailleurs que de s'occuper effectivement de l'être humain, s'il mange ou pas, alors que les moyens techniques, euh, je veux dire que technologiques, euh, le, permettent. Donc vous voyez là, il y a une euh, absence, une perte en tout cas euh, du sens de la finalité humaine. Parce que tout simplement, arrêter, on fait de l'homme comme une chose, on ne fait pas de l'homme comme une fin. Et vous voyez véritablement, cela perturbe justement l'humanité. Parce que tout simplement ici, on pense qu'il y a une partie de l'humanité qui est une quantité négligeable. Oui, Mohamed Souleiman, comment amener les décideurs euh, de ce monde et autres grands pollueurs à s'engager véritablement et à respecter leurs engagements bon, Ce qui a été fait depuis le, sommet de Paris, on a programmé effectivement euh, que les 100 milliards euh, de, dollars, je, crois, donc doivent être effectivement donc réunis. on se rend compte à l'évidence que ce n'est pas gagné d'avance les gens et les autres, en tout cas, sont en train de spéculer, alors qu'il s'agit tout simplement d'agir pour aller vite. Euh, donc, euh, vraiment, ce n'est pas pour demain. Il va falloir tout simplement euh, dire que ne pas compter sur les autres. Chaque pays, d'abord, doit faire la politique de ses moyens, d'abord chercher à agir. Absolument, c'est là la vérité. Oui, oui, hein. rapidement. Juste un mot. En fait, la complexité de cette situation, c'est que, oui, euh, même si on nous donne les 100 milliards de dollars et qu'on mette exactement en œuvre les projets que nous avons décidés, on ne réduirait les risques que de 4% parce qu'on ne contribue que de 4% à la situation. Ce qui fait que, heureusement, ils ne peuvent pas ne pas réagir, ils ne peuvent pas ne pas prendre des mesures. D'habitude, les Occidentaux, c'est comme l'a dit Ousseini, euh, les pays riches, ils ne nous écoutent pas, ils, ne nous, prennent à la, ils nous prennent à la légère. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, s'ils font, c'est bien. S'ils ne font pas, on périt ensemble là. Passons à présent, passons à... Ah, passons, euh, rapidement. Par rapport à ce qu'il vient de dire. Oui. C'est-à-dire que, bon, avant qu'ils euh, commencent à se ressentir il commence à ressentir déjà, hein, parce qu'il y a des coups de chaleur où les gens meurent en masse. Ils vivent ça. Ils vivent ça de temps en temps quand il y a la chaleur 33-45 degrés là. Ils ne peuvent pas résister, ils meurent en grand nombre. Ça, ils savent de quoi il s'agit. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. La proposition euh, de loi cadre sur le droit à l'alimentation au Niger est portée par le député national Ibrahim Yakoubou. Elle a été transmise au gouvernement pour avis. Un travail est mené aussi par les organisations de la société civile nigérienne et tout particulièrement par Alternative Espace Citoyen. Il s'agit là de faire voter un cadre législatif adéquat euh, pour euh, l'exercice et la jouissance d'un droit humain euh, fondamental consacré par la Constitution nigérienne. Cette loi va permettre de déterminer les éléments constitutifs du droit à l'alimentation ainsi que les principales obligations de l'État et des autres personnes morales des droits publics et privés. Elle définit également les principales orientations en matière de réalisation du droit à l'alimentation et les mécanismes de protection de ce droit. El Haj Mohamedou Suleiman, Ibrahim Yacouba disait je reste convaincu que c'est une part importante euh, de notre humanité et de notre dignité euh, que de garantir à chaque Nigérien le droit de se nourrir sainement et suffisamment. Comment cerner la pertinence et euh, les orientations de cette loi, à l'âge Suleiman ben, Vous savez, Ibrahim Yacouba, c'est un altermondialiste euh, comme alternative euh, espace citoyen. Effectivement, on comprend aisément, de par leur culture donc d'altermondialiste, effectivement, c'est un combat, le droit à l'alimentation. vous voyez, ça suppose tout simplement la régularité, la permanence et aussi euh, je, veux dire, euh, la, la, qualité en fait, et, la, la quantité, donc la disponibilité de, de la, nourriture. Euh, donc, de ce point de vue, même lorsque les gens sont dans des situations de catastrophe ou bien sont en prison, il est tenu justement à. L'État doit les garantir. Et donc, vous voyez, ce n'est pas seulement une question tout simplement de. dans, dans, notre contexte, effectivement, euh, c'est-à-dire que c'est pas seulement avoir la, la, la, nourriture, mais vraiment l'avoir à, quelles que soient les circonstances. Euh, donc, euh, moi, je comprends véritablement ici chez nous, la question se pose vraiment avec, avec acuité. J'ai vu justement le président de la République a reçu, en tout cas, le groupe donc, de la société civile, qui les paysans, absolument. Euh, c'est tout simplement que euh, ça, ça, ça, nous fait, c'est motivant de voir que euh, véritablement, lorsque les problèmes sont portés de cette façon, de façon concertée, parce que c'est un problème réel, puisque nous, en termes, vous voyez, nos pays, chaque, chaque, chaque, fois, a des menaces, en tout cas, de crise alimentaire particulière. Chaque année, chez nous, il y, a, malgré les efforts de l'État, pendant les périodes de, de soudure, c'est pas une question tout simplement, euh, c'est ce que tu vas trouver pour manger. Donc, en réalité, le droit, de la, droit à l'alimentation est violé par conséquent, parce que tout simplement, à une période de, de l'année, euh, les populations peuvent se trouver vraiment privées de la nourriture. Donc, euh, euh, selon, vous, c'est un droit constitutionnel qu'il faut euh, garantir à tous citoyens. au niveau mondial, il y a un pacte international effectivement qui consacre cela. Je crois que plus de 190 pays ont, adhéré à cela. Donc, en réalité, c'est aujourd'hui des notions euh, donc, des droits de l'homme, tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une situation, et malheureusement, à l'échelle mondiale, aujourd'hui, nous sommes environ 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Mais plus d'un milliard, euh, en tout cas, n'a pas la sécurité alimentaire. Pourquoi euh, Tout simplement du fait de la gestion injuste. Parce que tout simplement, on se rend compte à l'évidence qu'il y a suffisamment de ressources disponibles, suffisantes pour tout le monde, mais tout simplement par une gestion euh, inéquitable, injuste, des citoyens, donc des humains, des humains sont privés de la nourriture et cela n'est pas normal d'un point de vue du droit de l'homme. Euh, donc, bref, euh, je pense que c'est une initiative en tout cas encouragée. Donc, on voudrait voir qu'effectivement, ce qui est rare, il faut saluer par, euh, ailleurs que, euh, au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas, on a rarement justement des propositions de, loi. De, Qu'un député, effectivement, arrive à le faire dans un domaine vraiment très sensible, je pense qu'on ne peut que le féliciter. Hussein Sajibo, euh, quelle analyse euh, et quel euh, commentaire vous suscite cette loi Mokhtar, le matin tu manges, la journée tu manges, le soir tu manges. À 16h, il y a, comment on appelle ça, le goûter. N'est-ce pas Alors, est-ce que on a besoin de dire, il n'y a pas que l'être humain, toutes les créatures que Dieu a créées, ont besoin d'alimentation. Alors, à partir du moment où il y a une initiative dans ce sens, <coughs> normalement, ça ne devait même pas se poser. Mais proposition de loi sur le droit à l'alimentation, c'est déjà inscrit dans la Constitution. C'est inscrit également dans, euh, comment dirais-je, euh, comment on appelle, les euh, Nations Unies, là, la Déclaration universelle, des, droits, de, de l'homme. C'est un droit humain fondamental, la nourriture, la santé, l'école, l'éducation, si c'est possible. Mais du point de vue, le droit à la vie, concernant l'alimentation, quand vous ne mangez pas, vous allez mourir. Vous pouvez, parce qu'on peut considérer que dans un, espace euh, géographique donné, il y a des gens. non, c'est un droit humain fondamental. Et moi, je pense que c'est une initiative louable. Alain Souleymane vient de le dire. C'est que c'est la première fois, il faut que les députés cette initiative-là, de, formuler des propositions de loi, n'est pas attendre que ce soit seulement le gouvernement. Maintenant, le tout n'est pas de faire la proposition de loi, de l'introduire, même quand cette loi devient un projet qui va être soumis à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai dit quelque part, c'est qu'il faut que ça soit concrétisé. Et il faut que on ne dit pas que même en Occident, il y a des problèmes certainement de ce point de vue. Mais il faut qu'on crée les conditions pour une juste équité, en tout cas par rapport à la redistribution des richesses. Parce que le plus souvent, c'est ça qui manque. Pendant que quelqu'un lit les aliments qu'il a préparés ce soir-là, on va mettre dans la poubelle. Parce qu'on n'a pas pu manger poulet, pentade, machin, tout ça. Euh, on va, on verse. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui cherche des boules de mille de, de, de pâtes, de mille, ou pour pouvoir manger, il n'a pas. Parce que tout simplement, il y a une mauvaise répartition des richesses. Il faut mettre fin à ça. Il faut concrétiser. Parce que le taux n'est pas, en tout cas, de. De, de, proposer des lois. Non, non, pas de proposer. C'est une bonne chose de proposer des lois. Mais qu'au niveau, en fin de compte, que ça se traduise dans les faits, qu'on fasse l'effort. Ça va mettre peut-être du temps, mais qu'on fasse l'effort. Cette année, cette année, la campagne agricole s'annonce mauvaise. Mhm. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui seront obligés de quitter leur terroir pour aller chercher à manger. Ils ne peuvent pas rester parce que s'il n'y a pas à manger, ils vont quitter. Forcément, ils vont quitter. Abakari Arimi, l'État est tenu de mettre en place les mécanismes appropriés pour garantir l'accessibilité des aliments en tenant compte euh, des pouvoirs d'achat des ménages à faible revenu en milieu urbain comme en milieu rural et de protéger les personnes vulnérables euh, contre euh, les pratiques des autres acteurs alimentaires. Cela est-il réellement possible au Niger Écoutez, moi je pense que à cœur voyant rien d'impossible ça fait partie, euh, à mon avis, de nos préoccupations essentielles. Mon professeur euh, Alpha Gado euh, disait que avant les crises alimentaires étaient conjoncturelles. C'est devenu quasi structurel aujourd'hui. Autrement dit, c'est notre vécu quotidien. Cette année déjà, OCHA a alerté que dans le nord il Tilaberi, nous sommes à 600 000 personnes dans le besoin. Et comme Hussein l'a dit, dans le pays, nous sommes encore, euh, nous n'avons pas encore le point de la situation des récoltes, mais c'est sûr que ça n'a pas été intéressant cette année. Et donc, comme d'habitude, nous serons à hauteur de 2 millions, dont au moins 500 000 ou 1 million d'enfants qui seront dans le besoin vraiment crucial. Et ce qui fait que euh, moi, je pense que toute chose, on doit avoir la, la pertinence pour nous. À côté de nous, nos pays voisins n'ont pas ce problème-là. Les pays côtiers n'ont pas de problème d'alimentation. Si tel est le cas chez nous, on doit prendre ça à bras le corps et faire de orienter nos dépenses, orienter nos politiques dans ce sens-là. Parce que c'est un besoin fondamental, un besoin vital. Tant que tu ne le satisfais pas, c'est comme l'école aussi. Tant que tu ne le satisfais pas, tes problèmes ne seront pas résolus. Comment peux-tu développer un pays où les gens ont des problèmes pour manger Donc c'est essentiel. C'est pas pour rien au Niger, on dit non, il a l'intestin fragile. On sait ce que c'est que la faim. Et c'est ainsi qu'on essaie de comprendre ce qui se comporte, même politiquement n'importe comment. Et bien, vraiment, s'il faut plus de moyens, s'il faut deux fois plus de moyens, je pense que l'État du Niger doit faire l'effort pour que ça soit banal. Parce que c'est élémentaire et c'est essentiel malheureusement. Euh, l'alimentation, l'eau fait partie de l'alimentation, mais de quoi manger Autour de nous, dans les pays maghrébins, ces choses sont subventionnées. En Libye, j'ai une fois rencontré un ressortissant de Tawa. À 22 heures, on revenait de la ville. Il parlait à Oussa. Je me suis arrêté pour causer avec lui. Il dit que le sac de 25 kilos de riz de qualité lui revient à 2500 francs CFA parce que c'est subventionné par l'État. Oui, de bien sûr, du temps de Kadhafi. À avec 500 francs, parce que j'ai fait le point, on est allé dans un restaurant, on a mangé, j'ai fait le point à CFA, en CFA à 500 francs, tu as ton plat plus ta bouteille d'eau. Il faut bien que ça arrive chez nous. Ce n'est pas de la charité que tu vas faire à quelqu'un. Tu as été, vous êtes élu au nom de cette population-là, c'est vraiment la chose la plus essentielle. Des enfants aujourd'hui, les cas de malnutrition aiguë dans notre pays posent problème. Parfois, nous n'avons pas, parfois, nous avons des, des habitudes alimentaires dépassées. C'est vraiment une attention particulière, à mon avis, qu'il faut accorder à euh, cet, aspect de notre vie de tous les jours. Et je pense que c'est possible. ensemble, c'est possible. Et ça, cette proposition de, député, l'honorable euh, Ibrahim Yakouba, c'est une très bonne chose. C'est un processus que Alternative et les membres du consortium pour le droit à l'alimentation ont poursuivi, ont entrepris depuis 2012, qui est sur le point d'aboutir. J'espère vraiment que ça sera adopté. On fait une courte pause. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif à la circulation des gros porteurs dans la ville euh, de Niamey. Il est très fréquent de voir euh, des longs files euh, de véhicules gros porteurs, surtout à des heures de pointe, notamment sur l'axe aéroport-centre-ville, l'artère centrale qui traverse la ville d'est en ouest et les alentours de certains marchés, ce qui du coup crée des embouteillages limitant le plus souvent la mobilité urbaine. Ousseinissa euh, comment expliquer ce désordre ambiant occasionné par la circulation euh, des véhicules gros porteurs de la ville de Niamey, surtout pendant les heures de pointe Mais tu as bien parlé des désordres. mais comment, comment l'expliquer dans, une capitale, on doit quand même mettre de l'ordre. c'est un désordre délibérément voulu. Ah. Voulu. Parce qu'à un temps, il y a des points de stationnement qui ont été construits, des points qui ont été construits sur la route de l'aéroport, sur la route de l'autre côté aussi, sur la route de Torodi aussi, à Rwanda. N'est-ce pas Ou quand les camions arrivent, c'est là-bas que les camions stationnent. Maintenant, les marchandises, les commerçants doivent faire l'effort d'aller trouver des mécanismes. En tout cas, en journée, jusqu'à une certaine heure de la nuit. Maintenant, quand c'est du gros matériel, c'est la nuit, quand la circulation est car, la circulation est fluide, ça se ce que les camions, quand c'est des, conteneurs, par exemple, qu'il faut débarquer, ça se ce qu'ils peuvent entrer. Mais malheureusement, quand on prend ce genre d'initiative et il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanction, un temps ça a tenu. On garait les camions à l'entrée de Niamey sur la haute de, comment avait de Dosso à l'entrée de Niamey, mais également vers la. Voilà. Euh, la route de Torodi. N'est-ce pas Mais alors, pourquoi il n'y a, pas eu de suivi par rapport à l'application stricte de cette mesure Au bout d'un certain temps, parce qu'il y a des commerçants qui ont protesté et tout et tout, on a laissé faire et le phénomène a repris. Où il y a 4, 5, 6, 7, 10 camions qui se suivent en pleine journée En pleine journée, souvent à la tombée de la nuit, vers 19h, 20h. Ou bon, quand ils sont ensemble, tu ne peux pas slalomer entre des camions comme ça. Les gens sont obligés de <laughs> s'arrêter. Sans compter la difficulté de circulation qu'il y a aujourd'hui sur ces taxes là N'est-ce pas Maintenant, comment faire Comment faire Il faut appliquer, euh, comment on appelle ça la décision qui a été prise, il faut juste réactiver. On a imposé aux gens le port de la ceinture de sécurité. Le port de casque Le port de casque. Bon, d'accord, le port de casque encore, il y a un secteur relâchement. Voilà. Mais <laughs> alors, mais pourquoi on ne peut pas imposer à ces camionneurs-là On ne peut pas imposer aux camionneurs. Quand ils viennent, quand ils rentrent, il faut rester là-bas. Maintenant, si c'est la nuit, si tu dois attendre jusqu'à la tombée, jusqu'au-delà de minuit, une heure du matin, tu rentres en ville, les dispositions sont prises pour que les marchandises soient débarquées là où tu dois les débarquer. Mais rentrer en pleine journée, tout ça, ou en tombée de nuit, moi je pense qu'il suffit simplement de réactiver la disposition qui a été prise et créer les conditions pour que ça soit respecté. À l'âge Mohamed Suleiman, la circulation des gros porteurs est interdite euh, dans la ville de Niamey de 7h euh, du matin à minuit. À partir depuis euh, le 1er avril 2019, une décision de l'ancien président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Mokhtar Mahmoudou. Cependant, était exclu du champ d'application de cette mesure les camions de chantier, ceux des forces de défense et de sécurité et ceux transportant les produits sanitaire. Comment expliquer euh, le non-respect de cette décision aujourd'hui en Niamey Le non-respect, comme l'a dit Hussein, c'est l'impunité. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, des lois mais lorsqu'on ne veille pas à leur application, à les mettre en œuvre. Mais, mais la loi est déjà en vigueur. Pourquoi Mais justement, il y a des autorités justement pour, euh, pour les mettre en, en, œuvre, pour les faire respecter. Mais la police de la circulation routière est, là pour garantir la fluidité euh, routière. Très malheureusement, on se rend compte à l'évidence qu'effectivement, on voit des, des gros porteurs justement circuler à des heures indues. Comment l'expliquer Tout simplement, cela veut dire parce qu'il y a une défaillance de ce point de vue. Et entre-temps aussi, euh, les, Nigériens sont, en tout cas, le, en termes de, de, de, position de, véhicules, on se rend compte que le, parc, en tout cas, s'est élargi. Donc, beaucoup de gens euh, ont, donc des, véhicules. Moi, je, me souviens quand j'avais quitté ce pays 5 ans en mon retour, j'ai effectivement fait le constat que la circulation est très intense parce que simplement, euh, il y a beaucoup donc facilité d'accès au, véhicule. Donc euh, tout cela, en réalité, on doit gérer. Vous voyez aussi l'autre élément, euh, avec aussi les affections qui ont été faites à Niamey, dans certains quartiers, en tout cas par endroit, c'est encore plus compliqué. Il te faut attendre euh, vraiment des minutes euh, pour vraiment euh, le risque d'être en retard. Si tu dois aller à, un rendez-vous à 8 heures ou bien à, à 28h, il faut, euh, tu risques hein. juste, il faut être absolument à, moins 30, moins 1 heure. Absolument, sinon le retard est, garanti. Donc, tout simplement, moi, je pense que trêve de polémique, que ce soit dans ce domaine ou bien à un autre domaine, lorsqu'on n'applique pas la loi, effectivement, ça s'installe l'anarchie et le désordre. Et ça, effectivement, on constate à Niamey par rapport à ce sujet justement de gros porteurs. Euh, Abba Yarimi, comment davantage organiser et garantir la fluidité de la mobilité urbaine dans la ville de Niamey face à la croissance rapide du parc automobile euh, Alaji Mahmoud l'a rappelé tout de suite. Oui, euh, une des choses, c'est d'abord les usagers nous-mêmes, n'est-ce pas Il n'est pas rare de voir sur un point, un rond-point, être doublé par la droite, avec, par quelqu'un qui va virer à gauche, n'est-ce pas, qui peut venir vous doubler à part la, par la droite et virer de la responsabilité des automobilistes Oui, ça, et, des, des, automobilistes, mais ceux qui sont en moto aussi. Hmm. Eux aussi, ils sont dans, dans cette situation-là. Or, et la patience, on nous a toujours enseigner la patience. Mais la patience manque à tout un chacun. Quand vous voyez que vous pouvez bloquer la situation, même si vous, êtes prioritaire, c'est de permettre à l'autre de passer. Vous pouvez perdre moins de temps, en tout cas faire perdre moins de temps à tout le monde. Et ça, ça, nous manque. Et donc, maintenant, cette histoire de, de, de camion, mais vraiment, c'est les autorités il faut arrêter. Il n'y a pas ce que les citoyens n'ont pas dit. Certains disent que non, c'est la corruption, non, les véhicules, les camions leur appartiennent, non. Ailleurs, quand tu vas à Cotonou, tu n'as pas le même problème. Ou tu viens parfois autour du grand marché, tu es obligé de faire demi-tour ou perdre 30 minutes sur place. Alors que c'est tout ça, on peut, on peut éviter. Il y a des activités qu'il faut faire la nuit. Quand il faut d'abord balayer la route, c'est normalement des activités à faire la nuit. Mais aussi les camions, ou ils, déchargent en dehors de la ville. À ce moment, ils créent du boulot pour les petits porteurs, c'est-à-dire les Dogombaro et autres qui peuvent rapidement pénétrer dans la ville, ou vraiment attendre tard, à partir de 23h, ils peuvent, on dort tôt. Au Niger, nous, nous on dort tôt, en tout cas, on est à la maison tôt. Donc, ils peuvent rentrer à partir de, ah, de 23h, ah. minuit, ils rentrent, ils déchargent au petit matin, avant que les gens ne commencent à aller au boulot, ils sont hors de la ville. Il y a, les charretiers aussi qui, se suivent en file indienne euh, sur les principales acteurs de la capitale. Y compris sur le pont. Y compris sur le pont. Et malheureusement, ça aussi, c'est nos parents qui sont dans la périphérie, qui parfois amènent de, la paille, de, des feuilles de, haricots qui viennent. il faut les sensibiliser, à mon avis. Euh, j'ai vu ces derniers temps, ils ont parfois le feu, le feux, les, là. Mais au-delà de ça, je crois qu'on doit leur indiquer les chemins qu'ils peuvent suivre sans, parce que quand ils n'ont pas d'éclairage, l'accident est vite arrivé. Et ça, ce n'est dans l'intérêt de personne. Tu vas voir un âne, euh, blessé parti, quelqu'un qu'on a amené à l'hôpital déjà. C'est des choses à éviter. L'accident perd du temps à tout le monde. Tu vas voir un, jeune qui marche sur le, sur le. Il te coupe la priorité, il marche, il dit non, s'il me cogne, il va voir. Il va voir quoi Toi qui es déjà blessé, peut-être devenu infirme pour toute ta vie. C'est ça. Donc vraiment, il y a beaucoup de, patience, de bon sens et les autorités doivent agir à mon avis. Alaji Mamadou Souleymane, dans la ville de Niamey, beaucoup de routes euh, deviennent euh, de plus en plus impraticables et périlleuses du fait de leur dégradation On continu. comment améliorer davantage Comment c'est le moyens qu'il faut mettre. Euh, c'est le moins que c'est pas le colmatage qu'on constate qui veut beaucoup de poussière en même temps. C'est le moins de, de, moyens, de la, absolument. Euh, des moyens, tout simplement, en réalité, c'est la capitale. On a voulu qu'elle soit belle. Il faut aller jusqu'au bout, justement. C'est aussi l'état des routes. Donc, euh, selon vous, la, la, doit continuer à travailler Absolument, absolument, Niamé, Là, je pense que il doit faire mieux que, que Mahmoud. absolument, absolument, absolument, parce que tout simplement, ça va se constater. donc, euh, euh, je constate que, franchement, la question des routes, certes, ça demande beaucoup, beaucoup de moyens, à commencer par la, la numéro 1. Aujourd'hui, quand en tout cas, on, dit que toutes les, choses ont commencé. En tout cas, on est en train de régler la, question. Mais quand vous suivez, d'abord, j'ai constaté que c'était ça la priorité la route jusqu'à jusqu'à mm-hmm. Arlit, vous voyez, quand vous, vous suivez, mm-hmm. ah, vraiment, franchement, euh, d'un point de vue économique, c'était d'abord cela, tu vois. Mais bon, on va vous dire d'un point de vue aussi l'impact économique, c'est que un kilomètre de goudron, c'est que ça va vous, vous, coûter. Donc vous voyez, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre euh, alternative. C'est vraiment euh, des moyens qu'il faut mettre euh, et les moyens. nous parlons de priorités, quand on parle de, trucs alimentaires, vous voyez, lorsque cette année on dit que on ne sait pas comment faire manger les Nigériens, vous voyez, donc en réalité, il y a des priorités aussi, avant d'autres priorités. Absolument. Vous avez quelque chose rapidement Non, c'est pour dire que malheureusement, euh, on est dans une situation où toutes est priorités. Mais il faut vraiment avoir les vraies priorités. En matière de routes, par exemple, en Niamey, quand on prend les routes essentielles, c'est les routes secondaires. N'est-ce pas Oui, les grandes artères, on a mis de l'électricité, on a mis des... Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des problèmes de circulation C'est parce que dans les quartiers, il n'y a pas de route. Tu peux faire 500 mètres, 1 km pour rejoindre la bonne route et prendre. Par exemple, ici même pour venir ici à Kalangou, n'est-ce pas À, Kwarakano, euh, la route, comme on dit, de, de, chez Moutari Moussa, mhm. euh, du goudron pour venir ici, c'est un problème. Or, c'est une grande route essentielle aussi. Et donc, au moins le, la latérite, il faut que ça soit bien praticable. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, El Haji Mohamedou Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter, Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant, et Abba Arimi, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, auditrices, euh, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 47 radios et 6 télévisions partenaires pour suivre le programme euh, des jeunes avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h samedi, le forum à Hausa et dimanche, euh, le forum en Zarma. Merci aussi à la technique euh, régisson assurée par Mustapha Ayouba et à la réalisation Seni Isaka. Merci, au revoir.